je suis coordinateur du mouvement Nyonkobok Nouvelle Vision euh, qui a été créé en 2014. Euh, le mouvement Nyonkobok Bok œuvre euh, sur tout ce qui est social. Hein, on est tout ce qui est environnemental, développement social. Et depuis 2014, nous avons produit pas mal d'événements hein, pour venir en naître les populations sénégalaises. Hein, notamment, on a organisé des journées de consultation gratuites médicalisées. Ah, on a organisé des dons de sang et nous avons aidé beaucoup de jeunes à trouver euh, euh, leur bourse euh, pour, leur formation. Bon, aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter le Grand Prix du citoyen moderne. Le Grand Prix du citoyen moderne, c'est un événement citoyen que nous avons initié pour primer les, modèles sénégalais. Ah, on a des jeunes ah, qui sont des modèles dans leur domaine et nous avons euh, jugé nécessaire de les mettre au devant de la scène hein, pour montrer leur exemple hein, parce que euh, vous, le, savez euh, mieux que moi, depuis Belle Roulette, la jeunesse sénégalaise ne trouve plus hein, de, de, modèle pour, y prendre exemple. Et nous avons, pensé qu'il faut chercher ces modèles. Hein, il faut les chercher parce qu'ils existent, hein, notamment euh, là où on euh, il y a un jeune comme nous hein, qui a initié euh, ce, beau travail que vous voyez. à côté du terrain de football de Castor, là où c'était des dépôts d'ordures. Et aujourd'hui, il l'a transformé en un espace où les gens peuvent s'asseoir, passer leur temps à discuter, Hein, vraiment quelque chose pour l'environnement. Alors ça, ça, ça, répond à nos, nos, activités, hein, parce que tout ce qui est environnemental, hein, c'est Nyokobok. Par l'exemple de ce monsieur qui a fait ce travail, nous avons toujours espoir parce qu'on se dit il y a toujours des jeunes qui cherchent à bien faire. Et encore mieux, euh, nous allons les accompagner, ces jeunes qui sont des modèles, euh, pour les primer. Euh, euh, à la soirée du Grand Prix. Hein, parce que après la randonnée qui est prévue euh, au mois de décembre, le, 1er euh, décembre, pour la randonnée verte, on, va organiser un gala hein, pour remettre les prix hein, du Grand Prix du citoyen modèle. Et pour cette année, le parrain de ce prix, nous avons choisi un guide religieux. un guide religieux connu par tous les Sénégalais Hein, qui est Serigne Sornolo, hein, qui a beaucoup fait pour la jeunesse sénégalaise, pour les étudiants sénégalais. C'est une chance d'avoir des personnalités comme Serigne Sornolo. Et pour cette euh, première édition du Grand Prix, euh, nous, l'avons choisi hein, comme parrain du Grand Prix du citoyen moderne. Alors ce Grand Prix portera le nom de Serigne Mbake Sornolo, Grand Prix édition 2019. Et par cet exemple, nous allons euh, je vais nommer euh, peut-être une euh, des personnalités qu'on va primer, hein, que les Sénégalais avec moi seront d'accord pour vraiment primer cette, ce monsieur hein, qui est notre, notre, notre oncle, qui est un papa pour nous, hein, monsieur Abdoulaye Diaw, hein, qui a beaucoup fait pour le Sénégal. nous avons vraiment voulu lui rendre hommage à cette occasion du Grand Prix du citoyen modèle, primé M. Abdoulaye Diaw pour cette première édition du Grand Prix. Et il y aura des primés comme Boulaye hein, qui nous a reçus aujourd'hui euh, là où nous sommes en train de tourner cette euh, vidéo. Et croyez-moi, je vous dis avec euh, beaucoup de sincérité, c'est un citoyen modèle. Hein, Boulaye, hein, vraiment... Euh, est un exemple pour la jeunesse sénégalaise, quelqu'un qui vient avec ses propres moyens, hein, qui s'investisse pour l'environnement. Vraiment, nous, on le tire chapeau. Hein, merci Boulay. Et nous vous disons rendez-vous le 24 décembre au Grand Théâtre. Euh, euh, Cité Marine Cité Marine

lo xamantene bon dafa ñuy sonal des fois da ngay yewu bo yeewoo sa kër pour nga tok sa bunt kër sax problème lay doon motax dañu mobiliser mu am ak euh, kii euh, mu am lo xamantene manam initiative boo xamante initiative bu baax la pour seetal suñu gox bon bunti mairie bi manam euh, terrain bi.

bon moo tax nag euh, fu mu nekk nii alhamdulilah macha allah euh, dafa li ñu bëggoon nag am nañ ko te ñu ngi continuer na di ko def des na tuuti mais malgré fu mu nekk nii am nañ si yaakaar incha allah dina egg. lu tax ma defar fii comme li ma wax ma bu benn ba rek euh, dañu doon joxe jógee feneen dañu doon jógee feneen. loo guddi gi moo xam guddi gi la moo xam fajar gi la dañ doon ñëw di sandi seen mbalit keroo regaan ak xaj bu dee la ñuy sandi fi wax moo sax xaj bu dee wala xar xar ay xar ay xaj lépp la ñu doon sandi fi moo tax nagaa ma jël seen initiative bopp karo loo loo xamante ne dal la man maa ko génne man maa génne sama xaalis defar ko kenn euh, kenn ne moo sama benn jarbaat bu ñu wax Mamadou de lundi au de euh, dimanche au lundi 24 heures sur 24 heures nous avons pavé suñu bopp ñoo génnee aar bi maanaam bi ko ko force recyclage la ñëw valoriser pour gox bi euh, rafet rek

bon mosuñu mosuñuy tégaay ay pavé mais góorgóorlu bo boo pavé yi ak aar bi soog a doog soog a ñëw nag quoi. koñ bi macha allah bon kontaan nañ si liggéey bi comme li mu wax rek bon mbalit bi dañoo kontaan ci mbalit bi sax lañu jëk a parce que li ñu doon jankontel fi ah, moy xaj li ma la doon wax xaj bu dee xar bu dee ay mbalit dañ ko doon sànni fi motax nak nag ñoom vraiment kontaan nañ si liggéey bi ñoom ñëpp la ñoom ñëpp la wa cité bi yëpp ga mais am vu xamné sax do seen si seen si mais manam malgré bu ñu gisee affaire bi mu set ni sha allah dañu si kontaan bon am na xamné nak bon ma sha allah dañuy ñëw di joxé ay ndampay moy comme par exemple ataaye dañuy jënd ataaye sucre boisson ñëw di joxé vraiment loolu yëpp woné nañu vraiment ñom bu ñu sañoon ñoom tamit seen koñ nii lay demee euh, bon amna sama ben yaay sama ñaari yaay ñi nekk fi ñi wax euh, euh, Habibat Si bi moom joxe na bon ak ki nga xamantene moy euh ki nu mu tudd Fan Ñang moom tamit gaana participé na ak sama mag bu nga xamantene mo moo Moussa Diankame mom tamit participer na ak maire Ndiaye Joola moom tamit participé na macha allah do malgré seen doole bëriwul mais alhamdulillah am na lu ñuy joxe joxe nañu joxe nañu macha allah te ñu ngi leen di gërëm nag euh, yàlla nañu yàgg euh, suñu kanam si barke Mohamed. ñi nga xamante ne gaan gis nañu liggéey bi seen gox yi bu leen xaar si maire yi boo leen xaaree si maire yi wala président wala wala keneen wala boo xoolee ne gaan boo defee lii booy def lii. il faut que nga xaar si xaalis wala leneen ainsi de suite ok nit mais bu nga ne si zéro mais si yàlla nag du zéro di nga gam di nga am euh, ngërmande yàlla nga am ngërmande yàlla moo gën nga am ngërmande nit ñi bon macha vraiment content naa Dakar acti di leen sant di leen gërëm sama xaalis dem na si sama dem na mais macha allah su ma amee rek am

Hein, nous devons euh, tous euh, euh, nous investir à l'amélioration de notre environnement. Maintenant, nous allons vous peut-être vous montrer des charitiers qui sont là, hein, qui attendent pour déverser leur saleté hein, ici, sur le mur. Et c'est toujours au dessus des, populations qui sont là comme des spectateurs, qui ne disent rien. Alors, nous tous, nous devons vraiment nous mobiliser Hein, autour de l'essentiel hein, pour vraiment hein, changer euh, nos, comportements. Nous n'allons pas vous quitter sans vous rappeler la date du Grand Prix du citoyen modèle qui est prévue le 24 décembre au Grand Théâtre. Le parrain est Selim et Sornolo. et nous allons primer un grand monsieur que vous connaissez tous, qui est le monsieur Abdoulaye Diaw, Hein, que nous voulons vraiment euh, honorer hein, à l'occasion de cette euh, occasion euh, du Grand Prix du citoyen modèle. Je, vous ne vous quitterai pas sans remercier hein, le directeur de Dakar Actu, un ami, quelqu'un que j'estime beaucoup et que je juge être un grand citoyen modèle. Merci beaucoup, M. Diagne. merci Dakar Actu. Merci d'être venu à Cassor pour montrer ce qui se passe à Cassor, cette anarchie Hein, euh, vraiment ces comportements hein, euh, indésirables euh, qui doivent changer.